le Sénégal émergent a vendu l'économie sénégalaise aux étrangers. Aujourd'hui, dans notre pays, il faut être un étranger pour investir. En fait, il faut être un étranger pour travailler. Vous savez que le PSE a vendu l'économie sénégalaise et est capturé à 98% par les investisseurs étrangers tous les secteurs de la nationale sont dominés aujourd'hui par les étrangers. 98% des banques sont entre les mains des étrangers. L'industrie à 95% entre les mains des étrangers. 98% des entreprises exportatrices est entre les mains des étrangers. Donc les Sénégalais sont devenus étrangers dans leur propre économie. Et bientôt d'ailleurs, nous serons des esclaves dans notre propre pays. c'est la raison pour laquelle nous disons que le PSE a inversé la courbe du développement économique et social par un endettement excessif et par une croissance non maîtrisée. C'est la raison pour laquelle, le 24 février 2019, dès mon investiture de la tête de ce pays, je vais changer de paradigme en remettant le patriotisme économique au cœur des préoccupations du développement économique et social de notre pays, en remettant la préférence nationale au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus manifester notre solidarité aux commerçants de et aux commerçants du pays pour leur dire avec force et pertinence que le candidat de l'espoir qui incarne la volonté du peuple sénégalais au changement à une alternative nationale et patriotique devra, au lendemain de son investiture, remettre le Sénégal entre les du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal est entre les mains des étrangers, du de l'incurie du gouvernement et de lui-même, mais nous allons remettre les pendules à l'air c'est la raison pour laquelle cette volonté fortement euh, exprimée par le peuple sénégalais, qui est manifeste à travers cette mobilisation exceptionnelle partout où je vais euh, à la rencontre des populations, euh, va s'exprimer massivement le 24 février dans les Nous allons tout faire pour remettre le Sénégal à les Sénégalais, puisque personne ne peut développer le Sénégal à la place des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle debout, le peuple, avec le grand parti, avec les candidats de l'espoir, va incarner le changement

accepter que les commerçants sénégalais soient derrière des commerçants étrangers c'est pourquoi nous défendons les commerçants sénégalais mais nous devons la plénitude de l'expression de cette volonté qu'ils ont de participer au développement et jamais nous ne mettre que le secteur pour le management entre les médias au détriment du sénégalais c'est pourquoi nous allons redonner aux commerçants sénégalais euh, la plénitude de leur mission de participer au développement nationaux je suis pleinement le rôle en tant que moteur de, croissance économique nationale, puisque seul le secteur privé national, moteur euh, de croissance économique nationale, peut permettre au Sénégal d'avoir une croissance inclusive, qui peut permettre au Sénégal aussi d'avoir le bien-être social et la croissance qui permet au peuple sénégalais d'avoir le progrès économique C'est pourquoi nous nous battons pour une préférence nationale, c'est pourquoi nous nous battons pour le label sénégalais, c'est pourquoi nous défendons les travailleurs, c'est pourquoi nous défendons les commerçants, c'est pourquoi nous défendons le peuple sénégalais. Je crois qu'il est temps et ça suffit pour que les Sénégalais retrouvent leur économie, Sénégal Sénégalais le génie national continuer à développer le Sénégal et amorcer les bases de à même de satisfaire tous les désirateurs d'une le commerce qui est le secteur, le seul secteur euh, qui reste et qui marque la vitalité du national va être capturé aujourd'hui grâce au qui m'ont mais la nous voulons des champions dans le commerce ces champions ne peuvent être que des Sénégalais c'est que nous pour laquelle toutes les difficultés en que les commerçants sont en train de vivre nous allons les enlever nous permettre aux commerçants sénégalais de pouvoir participer comme ils le souhaitent à l'essor du développement économique et social de notre pays aujourd'hui nous savons que les commerçants sont fatigués fiscalité, les commerçants sont fatigués par les contraintes liées à l'arrivée de leurs marchandises à bord de la gare et à l'acheminement vers le point de commerce. Nous disons non et nous devons les faciliter les conditions, non seulement les transports appropriés à même de faciliter aux commerçants le fait que le marchandises soit vendu dans tous les marchés Mais également, nous allons les faciliter les conditions euh, de réalisation euh, d'un commerce à hauteur de ce que nous voulons établir comme principe de c'est-à-dire avoir des champions dans le domaine du commerce qui vont continuer à articuler les bases de développement Les commerçants sénégalais sont fatigués, à l'image du peuple sénégalais, les Sénégalais sont fatigués, les Sénégalais font le mal les Sénégalais vivent dans la précarité, et tout cela ne sont que les conséquences du PSE qui a fini de mettre le Sénégal entre les mains des étrangers. Aujourd'hui, le profil aux étrangers et les difficultés restent au Sénégal. C'est pour ça que nous donnons et c'est la raison pour laquelle dans le cadre du plan alternatif du Sénégal, je mettrai tout en œuvre pour remettre l'économie sénégalaise entre les mains des Sénégalais, pour remettre le commerçant à leur place et permettre au Sénégal d'avoir des champions à même de porter les bases du développement économique C'est une croissance qui assure le développement qui C'est aujourd'hui c'est une agriculture moderne qui se c'est un commerce florissant qui permet une compétitivité saine à même de satisfaire euh, à la population au Sénégal et de leur donner des produits de qualité et à bon C'est la raison pour laquelle ce que les Sénégalais veulent, ce ne sont pas des, des directives, des, des mais plutôt une des attentions particulières aux candidat de l'espoir qui est candidat de la incarnent à travers le plan Sénégal et je suis persuadé que partout je suis passé, vous savez que je suis dans une commune qui m'a déjà conduit à Sédouba, à Tamba, à Kolda, à Kafrine, à Kaolak, à Louga et aujourd'hui dans la région que ce soir, à part de ce soir dans la région de Maroc, chaque fois que je passe, les Sénégalais me disent avec satisfaction que nous croyons au candidat de l'espoir, puisque c'est le candidat qui a les mains propres, c'est le candidat qui a une capacité patriotique et qui n'est pas entre les mains de lobby c'est un candidat qui a de l'expertise, qui a la compétence de la gestion des affaires publiques, mais un candidat aussi qui a l'expérience des affaires privées, un candidat au mes propre, capable de satisfaire toutes les ambitions qu'attendent les Sénégalais le nouveau président. Ce nouveau président doit être un antidote de ce président international qui est Macky C'est la raison pour laquelle je veux réaliser à partir du 24 février les énormes ambitions que nous avons pour le peuple sénégalais et par la grâce de Dieu et sa magnanimité et par la volonté populaire, nous allons réaliser cette ambition, changer le Sénégal, remettre le Sénégal entre les mains des Sénégalais et tracer la voie du développement économique à mon ne peut y avoir un débat clair avec le gouvernement qui est partisan de l'obscurité. Vous savez aujourd'hui que les ressources minières peuvent ne rien servir au peuple sénégalais. Mais par la grâce de Dieu et la volonté populaire s'exprime nous savons que les Sénégalais vont créer des du changement et je suis persuadé qu'au lendemain de ma victoire, le 24 février 2019, je vais changer les règles du jeu et les règles du jeu les changer. C'est redonner aux Sénégalais puisque les résidents naturelles du Sénégal, conformément à la Constitution, appartiennent au peuple sénégalais et personne ne peut se polier au peuple sénégalais ont le droit élémentaire de disposer de ces ressources naturelles. C'est la raison pour laquelle le combat du peuple sénégalais est un combat unilatéralement vers le c'est un combat vers une alternative. Cette alternative, je l'incarne au plus haut point parce que je suis persuadé que les Sénégalais savent ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est mettre à la tête de ce pays un président qui, est capable de prendre en charge non seulement leurs préoccupations, mais de sauvegarder l'avenir des générations actuelles et futures. Et pour cela, il faut un président en main propre, il faut un président dont l'engagement de est infaillible, il faut un président qui a l'expérience et l'expertise capable de prendre en charge

le blanc symbolise la paix et, et, et le rouge symbolise le sacrifice que nous voulons mettre, puisque aucun sacrifice ne pour nous, notre engagement pour le Sénégal, et nous allons faire un effort au prix de notre vie et de notre sang pour garantir aux Sénégalais les bases de son développement économique. Assurer li nga xam ne moom lañ bëgg doxal Sénégal jaar yoon. xam nga moo tax tey jii keneen bu fekkee Macky Sall bëgg foqati doole Sénégal teg ko ci loxo étranger loolu la ñu wax ne dafay jeex man bu neexee ak dinaa ko jeexal ndaxte Sénégal Sénégalais yi ñoo ko moom. seen rek d'accord nañu pour que étranger yi investir Sénégal waaye dañu mos a ñëw Sénégalais yi nekk ci ginnaaw benn étranger Sénégal pour ñëw fii ci réew mi da nga war a investir waaye da nga war a topp ci ginnaaw Sénégalais li nga xam ne xam naa ko te jàpp naa ko mooy bu neexee yàlla bu 24 février 2019 bu ma Sénégalais yi falee niñ ma ko waxee bu ma Sénégalais jàppale li mako ma ko dina fexé ba li nga xamné moy Sénégal ñu teg ko ci loxo Sénégalais yi am ay champion ci commerce am ay champion ci industrie am ay champion ci mbay mi am ay champion ci compétence lu nekk ndaxte Sénégalais yi xam nañ lu nekk mën nañ def lu nekk ci année bi nga xamné ne moom la fekk lool motax li nga xamné ne moom la Macky Sall bëgg def jël suñu réew teg ko ci loxo étranger yi dañuy wax ne dafa war a jeex te dina dakk ndaxte am réew kenn mënu ko defar lul ñu ko moom te Sénégal ñi ko moom mooy sénégalais loolu moo tax tey jii ba ñëw Thiès pour ñu wax commerçant yi ne leen ànd naa ngeen ci ngeen xeex pour wax béykat yi ne xeex te loolu bu ñu ko bëggee dañuy fal président boo xam ne nii doomu Sénégal la bu loxoom set ku bëgg réew mi bari njariñ baax bari njariñ sama loxo bari njariñ ndaxte sama loxo bu set noonu dama démissionné ci gouvernement Macky Sall te ba ma démissionné ba léegi kenn mënul teg sama doom dara liggéey pour Sénégal Filme, deixa bu ñu jeexalee lii Macky Sall daañu tabaxaat Sénégal daañu defaraat Sénégal parce que li fi nekk jaaduwul te li fi nekk dafa war a jeex te du koy jeexal ñu fal Malick Gakou def Sénégal réew mi liggéey Sénégal ak Sénégal defaraat Sénégal da ngeen ne ndigal ndigal moom amatul Sénégal Sénégal yi xam nga Sénégal li ñu bëgg mooy li leen arrangé Sénégal li ñu bëgg mooy lu ñu defar seen àdduna Sénégal yi li ñu bëgg mooy lan kan moo leen taxaw kan moo leen jàppale seen problème te problème Sénégal mooy lan mooy problème jàng problème Sénégal mooy lan mooy problème faju bi problème Sénégal mooy problème dund bi problème Sénégal mooy problème liggéey problème Sénégal mooy problème commerce bi problème Sénégal mooy bépp euh, euh, fànn boo nga xam ne Sénégal dafa yëngatu Sénégalais mën a am taxawaayu état te tey jii dañu gis état du Sénégal dafa bàyyi sénégalais yi di jàppale étranger léegi Sénégal dëkk bu nga xam ne nii la étranger ñoo ko bokk bu ñu moytuwul sax foofu laa diir ay jaam yi nekk ko biir réew loolu moo tax pour Macky Sall dama jeex loolu laa dégg ci sénégalais yi fu ma dem ñu ne ma Macky Sall na dem fu ma dem ñu ne Macky Sall merci merci boobu nag ak na dem boobu bu ñu jox réew mi koo xam amul expérience bu ñu ko jox koo xam ne amul expertise nañ ko jox ko am expérience am expertise ay loxoom set te kenn xamu ko ci ay jiixi jaaxal ci ay waxu jaaxal

ki leen amal njëriñ Sénégal dégluñ kenn ku dul ki leen amal yaakaar et dégg naa sax ñu ne Macky Sall def na lu bëri ci foyer religieux yi waaye foyer religieux yi maanaam Touba Tivaouane Ndiassane Yoff ak fépp foo xam ne nii ak jullit ma fa nekk mais état bu fa defee dara yoon la def c' est tout à fait normal li Macky Sall def foofu man wóor na ma ne bu ma jëlee réew mi dinaa fa def fukki yoon yu ëpp loolu ci anam bu gën a baax anam bu gën a rafet

jàmm di nga liggéey di nga mën a dund di nga mën a jàppale sa njaboot di nga mën a faju et di nga mën a am yaakaar ci adduna bi te ak yaakaar boobu la Macky tas loolu moo tax ma espoir bi nga xam ne nii Sénégal yi bëgg nañu teg sama loxo bu neexee yàlla le 24 février dina changé Sénégal defaraat Sénégal teg Sénégal ci yow. vous savez que ce gouvernement a montré toute son incompétence euh, gouvernement bi wane na incompétence am euh, incompétence notoire ci li nga xam ne nii assainissement ci li nga xam ne nii mooy problème inondation mais de manière générale incompétence boobu mi ngi feeñ surtout dans ci politique aménagement du territoire xam nga aménagement du territoire mooy yër am réew parce que am réew boo koy tabax booy tabax dëkk booy tabax même quartier da nga war a xool lan moo fa nekk comme réseau lan nga fa war a tabax ba population yi mën a dund conditions yoo xam ne approprié waaye booy tabax ab dëkk prévoir assainissement prévoir dara loo xam ne dina permettre population yi dund dans des conditions appropriées xamné lolu da ngay jàpp dëkk ba comme ay maam da nga leen comme ay ay ay bayima Sénégal nak dañu war a respecter population depuis respecter population moy lan moy cadre de vie dafa am importance cadre de vie moy lan moy population di dëkk war na am assainissement war na am école war na am un cadre approprié bi nga xamné ni xalé yi war nañ ko mën a mag ñi war na mën a am espace bu ñu war a mën a jëfandikoo li ñu bëgg a jëfandikoo et cetera et donc Sénégal maanaam euh, gouvernement bi dafa wane ne aménagement du territoire tegu ko fenn loolu moo boo demee Touba ndox maa nga fa boo ñëwee Thiès fii ndox maa nga fi boo demee ci Dakar foo dem bu xawee taw sax bu xawee xiin dëkk ba taal loolu mooy wane ne gouvernement bi bëggul Sénégal loolu mooy wane ne gouvernement bi taxawul Sénégal loolu moo tax gouvernement bi fonkul Sénégal loolu nag bañu kanam borom a koy fajal boppam gouvernement Samba Alar lañ ñoré sénégalais dañ leen jël tek leen feulé jël réew mi bëgg réew mi jàppale leen pour ñu defaraat Sénégal xam nga tey jii wax ji wax ji mooy dañoo doyal ci gouvernement Macky Sall wax ji wax ji mooy gouvernement bu ñu respecté parole président bu ñu respecté parole je crois que sénégalais yi doy juróomi weer moo fi des lu ñu mën di changé ci constitution bi ci code bu mu di nekk président Macky Sall ak gouvernement Afrique ndaxte tàmm nañu wax waxeet tàmm nañu jëlee engagement duñ ko respecté gis nga barki dem rek ak enseignant yi engagement fi jëloon yëpp respecté wu ci dara commerçant yaa ngi nii bu Idi ak gouvernement bi gouvernement bi jëlee engagement te duñ respecté dara loolu moo tax fi nekk ay engagement kenn mënu ko gëm Sénégalais Sénégalais yi wétu nañ leen bala bi set xam naa yàpp bu respecté wul engagement am du juróomi weer nga respecté engagement loolu moo tax li ñuy bëgg Macky Sall ak li ñu koy demandé te loolu obligation la par la force dina def élection yi jaar yoon élection yi transparente ba Sénégal yi fal président bi bëgg a fal te yaakaar naa ne man nii la ñuy fal pour que ma defaraat Sénégal ndaxte sama loxo set na gëm naa Sénégal sopp naa Sénégal te xam ne Sénégal yi xam nañ ne lu ma leen wax dinaa ko def parce que par exemple sàmmkat bi rek la Sénégal yi soxla loolu moo tax ma yaakaar ne tey jii muy code minier muy code forestier muy code bu mën nag si mën sall changé ak gouvernement bi du jëriñ dara ndaxte day wax rek boo liggéey la mu wax du ko respecté ba pare du expliqué Sénégal la moo ko respecté loolu moo tax nag gouvernement boo xam ne nii dafa jël am réew gouvernement boo xam ne nii ay réew dafa jël réewam yow jàppalewul xale yi jàppalewul mag ñi jàppalewul jigéen ñi jàppalewul benn secteur liggéey amul xale yaa ngi dee ci àll bi xale yaa ngi dee ci géej gi ba pare Sénégal yi ñëpp mar nañu kenn mënatul faj kenn mënatul jàng waaye gouvernement bu doy na nag doy na doy na te Sénégal loolu la ñu wax ne doy na